Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangu. Les programmes du studio Kalangu qui sont relayés dans 47 radios partenaires dans l'ensemble du pays et sur notre page Facebook Studio Kalangu et le site internet www.studiokalangu.org. Ce soir, le thème du forum porte sur l'épidémie de choléra au Niger en charge et mesures préventives. Une épidémie de choléra sévit depuis quelques semaines au Niger. Ainsi, à la date du 15 août 2021, six régions sur huit ont enregistré des cas confirmés, selon le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. Il s'agit des régions de Maradi, Zender, Dosso, Niamey, Tawa et Tilaberi. La plupart des cas enregistrés sont en lien avec une épidémie contractée au niveau des régions voisines de frontières. Selon donc le ministère de la Santé publique, plus de 800 malades sont recensés dans ces six régions du pays, dont 35 morts à la date du 19 août 2021. En cette saison pluvieuse où les fortes précipitations ont occasionné des inondations dans les zones infectées, l'on redoute une flambée de la maladie si les conditions d'hygiène ne sont pas respectées. Alors, euh, qu'est-ce que le choléra Comment se fait le traitement Quels sont les moyens mis en place pour prendre en charge les cas de choléra Quelles mesures préventives Pour répondre à ces questions et bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Hamza Jibo, membre de la plateforme Démocratie sanitaire et implication citoyenne. Bonsoir Hamza. Bonsoir. Ali Abdou, membre du syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUZASA. Bonsoir Ali Abdou. Bonsoir madame. Et au téléphone, Dr Habou Abdurrahman, médecin-chef du district Niamen 3. Bonsoir Dr Habou. La présentation est assurée par Fatih Zakari. Docteur, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous euh, ce que c'est que le choléra. Le choléra, en fait, c'est une maladie euh, bactérienne. Mhm donc qui est causé, une maladie diarrhéique causée par une bactérie qu'on appelle le vibrion choléré qui sévit dans l'environnement. le choléra, c'est une maladie qui survient par euh, des épisodes épidémiques, mhm. euh, soit euh, de façon endémique ou bien donc épisodique. Oui. plus ou moins, elle entraîne donc, comme conséquence chez l'être humain mhm. donc, des diarrhées, des maux et des vomissements. Mhm et surtout la, la, déshydratation euh, qui peut aller à sévère jusqu'à la perte donc, de la vie humaine. C'est ça qu'on appelle donc euh, le choléra. Et nous, au début, nous l'appelons donc, des gastro et euh, des maladies gastro-entériques. Donc, on l'appelle aussi des gastro-entérite, mhm. donc à vibrio choléré. Alors, quels sont les facteurs qui favorisent la propagation du choléra Oui, les facteurs, la maladie, d'abord, c'est une maladie qui est liée au périmètre fécal. C'est-à-dire que c'est une maladie qui euh, le plus souvent donc, est lié à la mauvaise hygiène. Mhm. Donc, euh, soit euh, par la gestion d'excréments, donc animaux, animaux ou bien humains, mhm. ou bien donc la gestion donc, des, déchets. Mhm. Dans tous les cas, c'est une maladie qui est causée par le problème d'assainissement, d'hygiène et de propriété donc, que ce soit donc au niveau euh, personnel, individuel ou au niveau euh, environnemental, mhm. ou bien donc au niveau donc, euh, alimentaire. Mhm. Comment se fait donc la contamination d'une personne à une autre Il y a deux types de contamination. Mhm. Il y a ce qu'on appelle donc la contamination homme-homme, donc ça veut dire que donc, la, contamination est Mhm. Ce qui fait en sorte que euh, d'abord l'homme va consommer un liquide ou bien une alimentation contaminée par la, par la bactérie, mhm. puis il va développer la maladie. Donc euh, le plus souvent, c'est cette contamination-là qui est le plus souvent retrouvée mhm. donc, euh, au, niveau donc, des, de, de, la communauté. Cependant, il y a aussi une autre forme de contamination en fait, qui est, elle liée donc, à l'eau de boisson, mais à réalité, c'est par exemple les les, aliments qui sont déjà infectés. Par exemple, quand vous prenez eh, là où il n'y a pas d'eau potable, puisque parce que la source d'eau, elle est toujours elle est contaminée en permanence. Mhm. Chaque fois que les personnes vont la, consommer, mhm. elle sera source eh, source donc de maladies. Mhm. Sinon, la contamination, effectivement, elle se fait par l'injection donc de ces germes-là contenus dans une alimentation, alimentation soit l'eau ou bien un aliment quelconque. Mhm. Donc l'injection de ces bactéries-là, c'est pas ça qui va créer la, contamination chez l'homme. Docteur Habou Abdrahman, quelle est la tranche d'âge la plus concernée par le choléra Au niveau de la population, il n'y a pas une tranche d'âge qui est plus sauf euh, des enfants qui ont euh, un âge inférieur à 10 ans. Donc sinon, tout le monde est susceptible, d'être euh, contaminé par le choléra et de développer la maladie du choléra. Mhm. Seulement ce que, euh, qu'on a trouvé de, on a, on a trouvé que chez les enfants de moins de 2 ans, il est difficile et rarement prouvé qu'ils pourront euh, développer la maladie du choléra. Voilà, merci docteur. Restez à l'écoute donc euh, le temps de revenir euh, vers vous pour parler de la situation épidémiologique au niveau de la région de Niamey. Nous allons à présent écouter Ali Abdou, membre du syndicat unique de la santé et de l'action sociale. Comment se présente donc l'évolution de la maladie du choléra au Niger Merci madame. Donc à la date du 23 août 2021, selon le, rapport de la direction de la riposte, à la date du 23 août, il y avait 1770 cas sur l'ensemble du territoire national, dont 68 cas de décès. Le taux de létalité est de 4%, nombre de nouveaux cas 94%. Mm-hmm. Donc vous voyez l'ampleur de l'épidémie malgré les efforts, parce que l'État fournit d'énormes efforts quand même, mhm. dans toutes les régions en épidémie, mhm. les équipes sont installées, il y a eu des formations, il y a eu des mises en place de matériels et les produits de prise en charge. Donc malgré ça, vous voyez, la situation n'est pas du tout fameuse. Hamza membre de la plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne. Vous avez donc suivi un peu la situation épidémiologique euh, du choléra au Niger euh, ainsi que les régions concernées. Alors, euh, est-ce que la plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne est consciente donc, de cette épidémie de choléra Merci, madame. Et effectivement, comme vous le savez, la plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne est une plateforme des acteurs de la société civile intervenant dans le cadre de la santé. Donc, euh, effectivement, nous sommes conscients, mhm. euh, dès le début même de l'annonce euh, de cette maladie au niveau du pays, nous sommes conscients et nous avons déjà commencé à envisager mhm. et même, j'allais dire, à mettre en œuvre mhm. certaines actions pour accompagner les efforts du gouvernement pour la riposte contre cette maladie qui est le choléra. Mhm. Voilà. A-t-elle déjà entrepris des actions face à, cette situation d'épidémie Évidemment, les organisations de la société civile, ou j'allais dire les ONG associations membres de la plateforme des ICI, mhm. ont commencé effectivement à agir sur le terrain, mhm. qui, pour euh, accompagner les districts sanitaires, notamment en matériaux, en intrants, il euh, y a des organisations de la société civile qui ont appuyé certains districts à travers, par exemple, des gangs, des gels, des bavettes. Mhm et aussi les accompagner dans le cadre euh, même de la prise en charge. Mhm. Mais aussi, euh, ce qui est aussi le plus important, il y a beaucoup de ONG membres de la plateforme qui ont commencé mhm. euh, des séances de sensibilisation mhm. sur le terrain. Parce que comme ils viennent de le dire, c'est une maladie au niveau communautaire et c'est une maladie qui n'a pas de cible précise. tout être humain qui se trouve dans la zone infectée peut être victime de cette maladie. Donc d'où la nécessité effectivement de sensibiliser les communautés. Mhm. Et donc, nous avons commencé ces sensibilisations-là mhm. au niveau surtout des zones les plus touchées. Mhm. Voilà. Habou Abdraman, oui, madame. médecin-chef euh, du district euh, Niamen 3. Comment se présente la situation épidémiologique au niveau de la région du Niamey Comme vous l'avez dit, euh, au niveau du Niamey, jusqu'à la date, euh, jusqu'à du 20 août, donc, nous avons arrêté 77 cas qui sont arrêtés au niveau donc, euh, de tout le de Niamey, mhm. donc principalement au niveau du centaine Niamey et Niamey 2. Donc, euh, le, taux nombre de décès resté donc euh, nous avons arrêté malheureusement quatre décès au niveau de ces formations sanitaires, mhm. aussi euh, deux au niveau donc, communautaire. Mhm. Donc, euh, malheureusement, c'est ce que nous avons arrêté comme euh, situation technologique le choléra. Mhm. Et pourquoi la commune 2 enregistre beaucoup plus euh, de cas par rapport aux autres Vous savez, d'abord, les analyses, sont là, mais on ne peut, appuyer aussi, nous pouvons aussi d'abord citer d'abord les questions environnementales. Mhm. D'abord, les dispositifs en fait, d'évacuation des eaux usées qui ne sont pas aussi assez euh, assez développé au niveau de la commune. Mhm. Mais il y a aussi euh, la configuration de la population de la commune qui, a réalité, euh, la plupart d'entre de ces, populations touchées mhm. sont des populations qui sont défavorisées. Donc, tous, tous, ces facteurs-là sont des facteurs qui entrent en jeu dans le cadre donc, de, la propagation ou de l'expansion d'une maladie. Mhm. Nous allons donc entamer la deuxième partie du forum qui porte sur la prise en charge des cas de choléra. Docteur Abou Abdourahman, médecin-chef du district Niamey 3. Le choléra est une infection diarrhéique provoquée par l'injection d'aliments ou d'eau contaminée, comme vous l'avez expliqué ici. haut. Comment se fait donc le traitement de cette maladie euh, Le traitement de la maladie, d'abord, c'est un traitement de compensation, c'est-à-dire que Étant donné que le malade perd de l'eau dans les vomissements et dans les diarrhées, la première euh, priorité d'abord, c'est de compenser ces pertes liquidiennes-là. Donc, mhm. d'apporter suffisamment de liquide donc, pour pouvoir compenser les pertes et afin de maintenir euh, l'organisme en vie. Mhm. et la, deuxième, euh, la deuxième étape, c'est peut-être donc déjonction d'une antibiothérapie qui peut euh, aider rapidement donc, à sortir les germes ou à, les faire évacuer. Sinon, la diarrhée et les vomissements en fait, sont des mécanismes qui constituent par l'organisme afin de pouvoir évacuer donc, le, les germes qui est contenu au sein donc, du tube digestif donc, euh, de l'être humain. Mhm. Sinon, le traitement, c'est vraiment donc, la réhydratation qui se, qui fasse par la voie parentale et par la voie orale. Mhm. Et Est-ce que les malades fréquentent très tôt les centres sanitaires Oui, maintenant que euh, les, ont été menées sur le terrain, donc euh, l'importance donc de se rendre aux centres de santé les plus proches euh, étant connue par la population, mhm. nous constatons effectivement un afflux donc régulier des patients euh, qui viennent au niveau du centre afin d'être diagnostiqués. Mhm. Ça, c'est vraiment le travail donc, de la communication et nous remercions vraiment toutes les étudiants de la communication, qu'elles soient au niveau national ou au niveau régional, mhm. donc, qui ont effectivement passé tout le temps donc, dans les quartiers, dans les centres de santé, afin de sensibiliser la population mhm. par rapport à la fréquentation des centres de santé en cette période-là. Mhm. Merci, euh, docteur Ali Abdou, membre euh, du SUSAS. Quelle euh, appréciation faites-vous de la fréquentation des centres de santé par les malades La fréquentation bien que dans certains cas, les gens viennent un peu tard dans les formations sanitaires, mais quand même, avec la sensibilisation, comme il venait de le dire, les malades ont bien compris ou la population. Et il y a des sites que les, services ont mis en place. Mm-hmm. Et ces sites-là vraiment arrivent à avoir des patients parce qu'il faut isoler les malades. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle les sites ont été créés. Mm-hmm pour pouvoir euh, vraiment les prendre en charge. Et pour le moment, en tout cas, les sites là sont bien fonctionnels. donc, euh, on appelle à la population de ne pas traîner. Parce que très efficacement, si on détecte les cas très tôt mhm. et pris en charge, ça va permettre d'indiquer l'épidémie. Mhm. Hamza, vous avez quelque chose à compléter par rapport à la fréquentation comme le euh, docteur l'a dit, hein, effectivement, c'est le district Niamey 2 qui enregistre le plus grand nombre de cas. Donc, euh, avant-hier, nous étions là-bas, au niveau du district euh, Niamey 2, et nous avons effectivement constaté la mise en place des tentes mhm. d'isolement des, malades. Mhm. Et nous avons été effectivement sollicités mhm. par la médecin-chef du district Niamey 2, notamment par rapport à la sécurisation de ces tentes-là. Mhm. Parce que ces tentes ont été placées euh, au niveau du centre de, santé et que euh, malheureusement, il y a des, en fait, il y a des écoulements de eaux qui peuvent traverser ces tentes-là et déranger les malades. Donc, euh, actuellement, en sortant du bureau, là, j'étais, on a reçu une, une requête du mhm. district 2 pour pouvoir les appuyer, notamment à faire transporter du sable et des sacs pour qu'on puisse sécuriser déjà ces sites-là. Mhm. Donc je crois qu'il y a cinq tentes Mhm. Et donc, nous sommes déjà à pied d'œuvre pour pouvoir vraiment, euh, deux aujourd'hui, ou en tout cas au plus tard demain, mhm. pour que nous puissions sécuriser ces, ces, sites-là. Mhm. Donc, ça, c'est déjà quelque chose que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, que nous sommes en train de, de, de, prendre en charge. Nous, nous, avons aussi constaté que malheureusement, peut-être que c'est une coïncidence, au niveau des Niamey, même actuellement, les gants en vrac, euh, je ne sais pas, je, je parle sous votre contrôle. Est-ce que ce n'est pas une rupture En tout cas, il y a des difficultés à pouvoir euh, trouver ces gars-là. Mhm. Mais nous avons euh, quelques stocks actuellement chez nous mhm. que nous sommes déjà en train de vouloir acheminer au niveau du euh, y compris par mhm. exemple des eaux d'Ijabel et des gels hydroalcoolique. Mm-hmm. Donc tout ça, nous sommes à pied d'œuvre et les autres aussi acteurs de la société civile, comme je le disais, sont en train de mettre en place un dispositif de mobilisation communautaire mm-hmm. pour vraiment informer, sensibiliser les communautés, mm-hmm. surtout par rapport au lavage des mains au savon, comment couvrir les aliments, quels sont les risques et comment très vite détecter que si un malade présente tel ou tel symptôme, comment en tout cas pouvoir l'évacuer rapidement ou en tout cas le référer au niveau des centre de santé le plus proche ou les centres de santé indiqués. Mhm. Parce que Parce c'est une maladie où eh, parfois c'est des sites qu'on identifie mhm. et nous sommes en train de recenser ces différents sites-là qui sont identifiés surtout au niveau de Niamey, pour mhm. que qu'on euh, communique avec les communautés pour les, orienter ou les référencer vers ces sites-là. Mhm. Et pour ça, nous avons effectivement des agents communautaires que nous appelons le relais communautaire, que nous appuyons, que nous formons, que nous mhm. sensibilisons, qui sont avec les communautés et qui peuvent faire ce travail-là. Voilà. Alors, euh, quelles sont les complications liées donc à, la maladie Oui, en fait, euh, vous savez, nous, on ne voit pas la maladie par rapport aux prises en charge sanitaires ça c'est du domaine de la santé. Mhm. C'est le système sanitaire qui mhm. prend en charge. Mais nous, on voit plus l'impact de la maladie sur le plan sociétal. Mhm. Euh, nous sommes des représentants de la communauté et effectivement s'il y a des cas de choléra, euh, si c'est dans une famille, si c'est par hasard c'est le chef de famille euh, qui est victime de cette maladie, ça aura des conséquences euh, sur l'ensemble du ménage. Mhm. Si c'est aussi euh, un bras valide au niveau de la communauté mhm. et même aussi au niveau communautaire, c'est-à-dire parfois ces types de maladies mhm. sont parfois discriminatoires. Donc c'est extrêmement important que nous puissions informer et sensibiliser les communautés pour qu'il n'y ait pas de discrimination. C'est une maladie comme toute autre eh maladie. C'est pas parce que la personne a choléra, on va dire que dans cette maison là, il faut pas fréquenter, il faut pas faire ceci, il faut pas en fait, c'est tout ça là mhm. que nous sommes en train de faire euh, sur le terrain. Mhm. Voilà. Ali Abdou, quelle autre euh, complication donc, liée à la maladie du choléra La complication, c'est comme c'est une maladie mhm. épidémique, si on ne prend pas de précautions, la flambée va s'étendre très rapidement sur l'ensemble du territoire, comme on est en train de voir. Et la conséquence, c'est d'abord les agents de santé seront concentrés mhm. uniquement sur les cas là et oublier ou bien peut laisser pour compte pour les autres cas de maladie. Mhm. C'est un premier aspect. Mhm. Au niveau familial, donc comme il venait de dire, c'est l'immobilisation de la famille. Donc euh, tout va s'arrêter au niveau de la famille. Les activités quotidiennes, on ne parle pas. Et la plus grande conséquence, c'est le décès du malade mhm. ou du patient. C'est la plus grande conséquence qui est irréversible. Mhm. Donc vraiment, ce que nous demandons, oui. il faut que tout le monde soit attentif et actif mhm. pour pouvoir prévenir la maladie. Docteur, vous êtes là Je suis là, madame. Docteur, euh, quelle autre complication liée donc à la maladie la choléra, c'est une maladie qui fait euh, énormément de. de qui, non seulement elle est. Je dirais que le choléra, c'est une maladie qui entraîne énormément de complications. Oui. Mais surtout, donc, euh, plutôt dans l'ordre. Euh, sévérité. Mhm. Et la sévérité, c'est quoi C'est la, la sévère qui peut survenir chez, mhm. chez, le, malade. Et l'ultime complication, c'est ce qui donne c'est le décès. Mhm. Donc, euh, étant donné que c'est une maladie qui fait euh, énormément de ravages et que si on prend garde dans les 24-48 heures, donc euh, la, victime pourra, peut perdre donc, tout son capital euh, il peut mhm. Donc, euh, il est important vraiment donc, pour pouvoir limiter ces dégâts-là, oui. vraiment donc, une bonne prise en charge appropriée donc, et puis qui est précoce. Mhm. Sinon, la, complication vraiment, c'est la dilatation sévère et le décès de la, victime. Peut-on dire alors actuelle que la situation est sous contrôle pour l'instant, et Dieu merci, nous sommes euh, en train de stabiliser. La situation est vraiment stable maintenant au niveau de la région de Niamey. Euh, parce que euh, l'afflux donc des malades que nous avons vus au tout début donc est en train donc de se mettre en plateau voire en train de descendre. Oui. Sinon euh, en c'est sous contrôle mais mais il faut vraiment que nous continuions à être vigilants mhm. donc y compris au niveau des services de santé au mhm. niveau de la population par rapport à la prévention mhm. par rapport aux méthodes ou de la prévention de, mhm. l'infection. Mhm. Et ces méthodes-là, en fait, donc, euh, sont tout à fait simples et accessibles à toute la population. Donc, euh, je ne sais pas si on peut en parler, on va en parler là-dessus. Comment se présente la prise en charge des cas de choléra au niveau des centres sanitaires D'abord, euh, depuis que nous avons commencé à référer les, cas la mi-août de, ce mois, le début mois août, nous avons alerté, tous les centres sont alertés et ont euh, pris des dispositions afin d'accueillir les, les, cas euh, éventuels. Mhm. Au moment où je vous parle, tous les centres. 104 les cinq, chacun a euh, mis en place un centre de traitement et de en charge du choléra. Mhm. au niveau de ce centre-là, le malade est accueilli par des équipes de santé qui sont prêtes donc à lui offrir donc le soin. Mhm. Donc, il vient donc le, le, de tri donc euh, évalue de son état de santé, donc euh, et puis prend les dispositions nécessaires afin donc de continuer la prise en charge jusqu'à ce que le patient soit guéri. Mhm. Et la chance c'est que le choléra en fait une fois prise en charge très tôt et que le traitement a adapté. Donc, euh, dans les 48 heures à 72 heures, malade malades sort. Mhm. Est-elle gratuite, cette prise en charge Elle est tout à fait totalement gratuite absolument grave. Mm. Donc euh, les malades ne payent, rien du tout. Mm-hmm. Donc euh, tout ce qu'on demande à la population, vraiment, c'est de se rendre au centre de santé lorsqu'il y a vraiment un souci de santé. Mm-hmm. Alors, quelles sont les dispositions prises par votre département ministériel pour assurer une prise en charge effective aux malades dans les différentes localités le ministère s'est assuré d'abord que les plans de poste étaient déjà validés et corrects. Oui. Et maintenant, le ministère aussi donc, a mis en place donc, euh, au niveau de toutes les questions, donc des stocks donc médicaments et des, produits destinés à répondre aux urgences dans le choléra. Mhm. Le troisième niveau d'action, c'est par rapport aussi à la prévision ou au suivi donc, de cette euh, réponse-là au niveau de tous euh, les centres, de, santé ou les centres sanitaires du pays. Mhm. L'autre aspect aussi, c'est vraiment la dotation des centres de santé aussi euh, en collaboration avec les partenaires non techniques du ministère de la Santé, mhm. l'habitation donc en produit de désinfection donc, et de traitement euh, des eaux mhm. de consommation donc, euh, au niveau de tous les villages et les santé concernés par la maladie. Mhm. Donc, pour vous dire en fait que euh, le ministère de la Santé a bel et bien pris en charge cette euh, épidémie. Et euh, rien n'a été laissé au hasard pour pouvoir donc, contrecarrer l'évolution de cette maladie. Disposez-vous suffisamment de moyens pour prendre en charge tous les cas enregistrés tous les cas frais, en fait sont euh, pris en charge effectivement par nos moyens. Et Cependant, il y a aussi des partenaires techniques euh, de la santé qui sont en train d'appuyer le ministère de la Santé. Donc, euh, quotidien, nous sommes avec eux mhm. et nous les, remercions donc, pour l'appui constant qu'ils nous, apportent. Mhm. Sinon, à ce que nous sommes, nous sachons aujourd'hui, donc, euh, tous les structures de santé sont capables et ont les matériaux nécessaires pour la prise en charge des cas Est-ce qu'il y a des contraintes liées à la prise en charge du choléra La contrainte, euh, c'est surtout d'abord la compréhension de la, de la communauté. Mhm. Il faut qu'au niveau de la population, il y ait moins de retard dans le recours aux, soins. Mhm. Il faut aussi qu'il y ait aussi l'observation des mesures d'hygiène et d'assainissement de l'environnement au niveau de la communauté. Mhm. Sans ça, on n'est pas endiguer ces problèmes-là. Mhm. Il y a aussi le fait de ne pas stigmatiser la maladie. Mhm. Parce qu'en stigmatisant la maladie, le patient, euh, des fois, euh, réchigne à consulter dans la formation de la plus proche, parce que là-bas, on le connaît, et il va essayer d'aller plus loin que chez lui, et en allant plus loin que chez lui, il est en train de disséminer les germes oui. tout son trajet. Mhm, mhm. Donc vraiment, je pense que c'est certainement le principal content que nous avons et avec la situation, nous pensons lever ces contraintes-là. Mhm. Merci docteur. Hamza Jubo et euh, Ali Abdou, vous êtes donc... Euh, membre des structures associatives œuvrant dans le domaine euh, de la santé. Alors, euh, quelle appréciation faites-vous, Hamza Joubo, de cette prise en charge euh, du choléra Effectivement, je rejoins docteur et je confirme, parce que nous, c'est la société civile nous avons un œil indépendant euh, par rapport au dispositif qui est mis en place euh, au niveau des centres de santé. Je vous ai dit que euh, nous avons été au niveau du district Niamey 2 mhm. et nous avons, sommes très satisfaits en tout cas des dispositifs qui est mis en place, des intrants qui sont mis en place. Néanmoins, comme il l'a dit, il y a certains aspects pour lesquels nous-mêmes nous sommes engagés à accompagner le ministère pour que la prise en charge puisse être intégrale. Et comme il l'a dit aussi, au niveau communautaire, nous avons un réseau des agents communautaires euh, avec lesquels nous pouvons effectivement accompagner le ministère, surtout pour qu'on puisse détecter le plus rapidement possible et pouvoir référencer le cas présumé de choléra. Parce que nous, on ne peut pas confirmer, on ne confirme pas, mais nous, en tant que communautaire, on peut détecter un cas présumé, le référencer au niveau des centres de santé le plus proche mhm. pour que euh, le système de santé, mhm. ou en tout cas les centres de santé, puissent le prendre en charge euh, mhm. le plus tôt possible. Autre aspect euh, que je voudrais aussi ajouter, et nous apprécions aussi, en tout cas, cette ouverture des agents de santé, que ce soit au niveau des districts, que ce soit au niveau central, cette ouverture vers les acteurs de la société civile. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a une maladie qui est enclenchée au niveau communautaire, euh, en fait, ce n'est pas exclusivement une affaire de prise en charge sanitaire. Mhm. il y a aussi le côté communautaire. Mhm. Et c'est la communauté qui est victime. Il faut effectivement combiner euh, le système communautaire mhm. et le système de santé en tant que tel comme système de prise en charge. Et là, donc, pour le système communautaire, vraiment, nous, nous sommes là et nous sommes prêts à accompagner le ministère et nous le faisons au quotidien et nous allons continuer à le faire pour que euh, le dispositif puisse être vraiment réellement efficace. Voilà ce que je voudrais ajouter euh, par rapport à ce que le docteur a déjà dit. pour euh, le côté communautaire. Merci. Et est-ce que vous avez relevé quelques difficultés dans vos actions Oui, les difficultés, effectivement, il y a ces risques de stigmatisation de la maladie ça, euh, s'il y a un euh, malade dans une famille, on a ressenti en fait ce comportement de stigmatisation mhm. pour dire que non, voilà, l'autre l'autre concession là, il y a un malade choléra, on empêche aux enfants d'aller. C'est vraiment ça. Et comme l'a mhm. décrit, l'a si bien décrit docteur, parfois ça peut être source de propagation de cette maladie puisque parfois même il y a certaines familles mhm qui cachent leurs malades. Mhm. En fait, ils savent qu'ils ont vu que voilà, le malade présente certains symptômes, mais comme on dit que c'est choléra, on, le cache, on le garde dans la famille et là, ça, ça peut être euh, source de contamination communautaire. Mhm. Donc, euh, ça, c'est une difficulté assez, assez vive, assez importante mhm. et à lever. Et l'autre aspect aussi, c'est vraiment le recours aux soins le, en tout cas, le recours au niveau des centres de santé le plus rapidement possible. Plus on se réfère au centre de soins le plus tôt possible, plus on a des chances d'être sauvé. Mhm. Comme l'a dit le docteur, vous avez vu, euh, la maladie est susceptible de tuer entre 24 h et 72 heures. Donc si on n'est pas vraiment efficace, on n'est pas rapide, mhm. on risque d'avoir ces conséquences-là. Malheureusement, comme il l'a dit, les décès, c'est le niveau le plus, mhm. euh, enfin, le moins souhaité au niveau communautaire. Voilà donc euh, ce que je, voudrais dire. Vraiment, en termes de difficultés, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés. Mhm. C'est pas assez important pour qu'on puisse, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, mettre en cause tous les dispositifs qui est en place. Mhm. Vraiment, nous les lancions mhm. et nous sommes là pour accompagner. Voilà. Ali Abdou, membre du CISAS. Donc, moi, ce que j'aimerais ajouter, effectivement, ce qu'il vient de dire, euh, c'est une dimension multisectorielle. Maintenant, de plus en plus, les problèmes de santé, ce n'est pas uniquement au niveau de la santé que la prise en charge mhm. et les autres euh, actions euh, s'effacent. Mhm. C'est en collaboration avec l'ensemble des partenaires, mhm. les acteurs. On tend vers de plus en plus ce qu'on appelle One Health. C'est un regroupement multisectoriel pour pouvoir prévenir les épidémies. Quant à nous, en tant que syndicat, Mhm. Nous sommes satisfaits quand même euh, des conditions dans lesquelles les camarades euh, prennent en charge les, malades. Mhm. Parce que d'abord, même ils ne sont pas épargnés s'ils ne sont pas dans des conditions. Comme il venait de le dire, tout le monde est susceptible de contracter la maladie. Donc, les camarades qui sont sur les sites sont mis dans des conditions en matériel de protection individuelle, ce qu'on appelle EPI. Mhm pour lutter contre vraiment la maladie. Que fait donc le CISAS face à cette situation d'épidémie Ceux qui sont sur le terrain, la majorité, c'est les membres du CISAS qui sont sur le terrain. Mhm. Les agents qui sont en contact permanent avec les malades. Nous, ce qu'on fait, c'est rappeler peut-être les, camarades les mesures de protection individuelle à mhm. ne pas négliger. Et on appelle au niveau du gouvernement vraiment mhm. de motiver les agents qui sont à pied d'œuvre pour prendre en charge les malades. La troisième et dernière partie euh, du forum est consacrée aux mesures préventives. Docteur, vous êtes là. Docteur Abou Abdraman, médecin-chef euh, du district euh, Niamen 3. Peut-on éviter le choléra Oui, tout à fait. Le choléra, c'est une maladie qu'on peut facilement éviter et évitable. Oui. Et quelles sont les mesures préventives mises en place les mesures de prévention, d'abord, euh, elles sont au niveau individuel. Oui. Je disais que c'est la prévention, la prévention de la contamination. Et qui dit prévention de la contamination dit la propriété au niveau individuel, la propriété corporelle, la propriété investimentaire, et la propriété euh, environnementale. Mhm. Donc l'assainissement de tous ces cadres-là mhm. permettra vraiment donc d'éliminer, donc euh, de réduire euh, drastiquement la contamination. Mhm. Maintenant, la prévention même en, période donc euh, c'est le renforcement de vache des mains. Donc laver les mains avant, après tout acte ou bien même toute activité, oui. soit donc aller aux toilettes ou manger. Donc c'est vraiment de se laver bien les mains au euh, savon et à l'eau. Mm-hmm. Il y a aussi euh, la gestion des ordures euh, ou des des excréments mm-hmm. ou la gestion que des eaux usées mm-hmm. qui doit se faire au niveau aussi donc, de la famille où les postes sceptiques doivent être bien protégés et fermés. Il y a aussi la protection donc, des aliments ou bien donc, la préparation des aliments à consommer. D'abord, s'assurer que l'eau de consommation doit être une eau potable ça veut dire donc euh, des de toute euh, infection. Mm bien soit donc des robinets ou des puits assez ou des forêts assez profonds. Il y a aussi l'utilisation de certains agents chimiques pour mm-hmm. purifier ou rendre plus potable l'eau. Mm-hmm. Donc que l'eau potable, le, le, ou bien non Donc il faut qu'on peut utiliser pour pouvoir purifier aussi l'eau de consommation il y a au niveau de l'alimentation, c'est de bien laver les aliments, que ce soit crus ou bien même que les soit soient crus pour pouvoir être avant de les consommer. Mhm. Euh, pour les aliments crus, c'est bien de laver à l'eau à l'eau de javel, donc euh, puis rincer à l'eau simple. Donc, mhm. avant leur consommation. Pour les aliments qui doivent être euh, consommés cuits, il faut mhm. bien assurer la cuisson, bien les cuire donc, euh, et, de, de, le consommer euh, à chaud avant à, pour pouvoir protéger, se protéger contre toute autre euh, infestation. Les aliments qui doivent être conservés aussi, c'est de protéger les aliments là des insectes, dont les mouches. Parce que nous savons que la mouche est, vraiment un vecteur important mhm. dans la transmission des maladies diarrhéiques. Mhm. Donc, protéger bien les aliments donc avant, s'ils si, sont destinés à la conservation, mhm. donc pour pouvoir éviter cette euh, infection-là. Mhm. Maintenant, au niveau euh, des centres de santé, c'est vraiment de continuer à sensibiliser sur euh, la propriété, sur l'hygiène, mhm. donc pour pouvoir prévenir les maladies diarrhéiques. Sinon, en tant que tel, donc, les, maladies, mesures de prévention sont assez simples à oui. si on s'y prend bien. Et que fait l'État dans ce sens euh, l'État a non seulement disposé au niveau des formations sanitaires tout ce qui a comme dispositif de lavage des mains pour que les personnes qui fréquentent les centres de santé puissent euh, effectivement venir avec les mains propres et retourner avec les mains propres. Mhm. Il y a au niveau de la collectivité aussi qui vient aussi en appui. Donc euh, elle fait les efforts, le travail nécessaire pouvoir donc évacuer mhm. et rendre les quartiers et les villages qui sont aussi plus accueillants, plus agréables à vivre. Il y a la gestion des charges publiques aussi, un plan qui est là pour pouvoir donc euh, enlever les ordures donc euh, qui sont dans les quartiers ou dans les rues, mhm. afin de prévenir euh, cette, cette situation-là. Mhm. En dehors de ça, il y a aussi l'appui de la direction de l'hygiène et de, et l'assainissement donc du ministère de, la Santé donc euh, la promotion de l'hygiène, mhm. donc qui a peu d'œuvres en fait pour pouvoir aussi appuyer les gens de santé dans le cadre donc, des mesures d'hygiène. Mhm. et Je pense aussi il y a aussi euh, l'aspect communicationnel, mhm. donc au niveau étatique. Oui. Toutes, toutes, les stratégies de communication ont été mises en œuvre donc afin d'éviter, euh, afin de afin de sensibiliser donc, euh, pour le respect des des mesures d'hygiène mm cette période d'épidémie de choléra. Mhm. Voilà. Merci, euh, docteur Ali Abdou. Quelle autre mesure euh, préventive Pour les mesures préventives, comme il l'a si bien rappelé, c'est une contamination fécorale, comme on le dit. Oui. Donc, il faut agir sur les facteurs de transmission mhm. qui sont l'eau. Donc, il faut assurer l'accès à l'eau potable mhm. à la population. Oui. Les aliments, les protéger. Oui et sensibiliser la population sur les mécanismes de transmission de la maladie mhm. parce qu'il faut que euh, la, population arrive quand même à, son sein à comprendre mhm. comment euh, la maladie se transmet. Pour euh, le cas de l'épidémie déjà existante, mhm. lavage des mains et puis désinfection des cadavres parce que les cadavres sont hautement contaminants aussi. Donc lors des funérailles, si, si ce n'est pas un enterrement sécurisé, ça peut être source de propagation de la mm. maladie. Donc il faut désinfecter les, les, cadavres, les effets et les objets utilisés par les malades et mm-hmm. accompagnants. Il faut les désinfecter aussi. Donc euh, le lavage des mains, mm-hmm. vraiment, c'est le moteur. Il faut désinfecter le domicile des patients, désinfecter les services, ce que le ministère est en train de faire au niveau mm-hmm. des sites d'isolement. Donc les sites sont désinfectés. Et vraiment, euh, la population même est dotée mhm. des produits de traitement d'eau pour pouvoir indiquer l'épidémie. Mhm. Il y a des équipes déjà sur le terrain pour la sensibilisation. Mhm. Donc, euh, en dehors de ces facteurs, il faut agir sur l'environnement aussi, comme il venait de le dire parce que tout vient de l'environnement. Si les latrines ne sont pas bien construites ou en cas d'inondation, mhm. le microbe ou même la bactérie va rapidement se propager dans l'environnement et qui peut contaminer les aliments. Mhm. Hamza Jibo, membre de la plateforme des ISIS, au niveau de la population, quel comportement doit-elle adopter pour éviter la maladie Oui, je pense bien qu'ils ont pratiquement cité tout ce qu'il faut au niveau communautaire. Mais nous, ce que nous ajoutons il faut toujours qu'on arrive à adapter mhm. les mesures de prévention aux us et coutumes et aux croyances mhm. du milieu. Parce que c'est extrêmement important pour nous, acteurs de la société civile, que ces mesures-là puissent être adaptées au milieu. Par exemple, effectivement, euh, M. Ali est en train de parler des pratiques euh, de funérailles. Et donc, ça ne devrait pas être un dispositif qui peut être au-delà, euh, en fait, de la portée communautaire. Donc, on doit effectivement tenir compte de tous ces aspects mhm. et pouvoir leur indiquer juste les conseils pratiques pour minimiser les risques par rapport euh, donc aux, par mhm. exemple. Et par rapport aussi aux mesures de lavage des mains, euh, nous savons que il y a des communautés qui sont quand même à un niveau de vie assez faible mhm. pour pouvoir disposer de tous les, moyens nécessaires pour pouvoir pratiquer le lavage des mains. Mais au niveau communautaire, nous mhm. savons qu'il y a d'autres euh, produits à la portée des communautés. Et donc, c'est pour cela que nous nous encourageons au niveau communautaire, par exemple, des fabrications des savons locaux qui permettent effectivement de pouvoir désinfecter aussi les mains mhm. et au lieu de parler de par exemple de gel au niveau communautaire donc mhm. tout ça nous c'est sur ces aspects là que nous mettons l'accent mhm. et aussi par rapport aux, aliments effectivement comme l'a dit le euh, euh, docteur c'est une des sources de contamination les aliments que nous consommons que les communautés consomment que ce soit des aliments crus ou des aliments à cuire. Mhm. Et donc tout ça aussi par rapport aux conseils, aux pratiques, ça doit s'adapter à la communauté. Mhm. Donc voilà nous ce que nous pouvons ajouter par rapport donc à ces mesures et surtout la promotion de l'hygiène et la mobilisation sociale adaptée au niveau communautaire. Oui, Hamza, cette année, avec les inondations donc, euh, qui ont fait déplacer les sinistrés vers euh, les établissements scolaires, comment donc euh, ces populations qui vivent dans la promiscuité doivent-elles renforcer les règles d'hygiène Effectivement, ça aussi, c'est d'autres aspects. surtout, une maladie comme le choléra, si elle se déclenche dans des centres comme les centres où nous avons des populations qui ont été évacuées, qui étaient victimes d'inondations et qui sont évacuées, mhm. là où nous avons une concentration assez importante dans un espace assez réduit de des communautés. Là, c'est vraiment les mesures doivent être encore plus renforcées. Mhm. Et la vigilance aussi, et surtout aussi les campagnes de sensibilisation, de mobilisation sociale. Mhm. Parce que en fait, vous savez, les maladies comme choléra, c'est des maladies comportementales. C'est mhm. notre comportement qui nous amène à contracter la maladie. Donc si individuellement, comme l'a dit le docteur, et si individuellement je peux avoir un bon comportement, et ça va effectivement influencer sur le comportement collectif. Mhm. Voilà en tout cas ce que nous pouvons ajouter par rapport à ces, cas de, sites où nous avons une concentration assez importante des populations euh, face à ces risques de, cette maladie-là. Nous allons écouter docteur avant de clôturer. Docteur Docteur Abou euh, euh, médecin-chef du district en Niamey 3. Cette année, les inondations ont fait déplacer les sinistrés vers les établissements scolaires. Comment donc ces populations doivent-elles euh, euh, renforcer euh, les règles d'hygiène Au niveau de ces camps d'action identifiés, oui. donc, nous expliquons effectivement Pérou afin de continuer la, sensibilisation. Mhm. Nous sommes en train de prendre des dispositions afin donc, de les alimenter en, en eau de qualité et en mesure donc, de protection, mhm. donc des dispositifs de lavage des mains, mhm. donc aussi donc, le savon. Maintenant, les ceux qui sont vraiment déplacés, le maître mot, en fait, donc, dans la gestion du choléra, c'est donc euh, vraiment le, l'hygiène et l'assainissement de, de l'environnement, mm -hmm. l'hygiène donc, du corps, l'hygiène donc, de, l'alimentation. Mhm. Là, donc, je pense qu'il y a des équipes donc, de, de sensibilisateurs et d'animateurs qui sont en train de faire le tour de ces centres d'accueil mhm. afin de renforcer euh, cette euh, pratique-là mhm. au sein de cette communauté qui est déplacée. Merci beaucoup, docteur. Ali vous avez... En plus de ce que le docteur venait de mm-hmm. dire, il y a aussi la désinfection qui est vraiment renforcée. Mm-hmm. Ça, je le confirme. Mm-hmm. Au niveau de chaque site, il y a des équipes qui passent pour la désinfection Des locaux. Pour pouvoir vraiment minimiser l'épidémie. Nous sommes donc au terme du forum sur l'épidémie de choléra au Niger, prise en charge et mesures préventives. Nous étions en compagnie de Hamza Jibo, membre de la plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne, Ali Abdou, membre du syndicat unique de la santé et de l'action sociale à SUSAS et docteur Habou Abdourahman, médecin-chef du district Niamey 3. Merci donc à nos invités d'avoir répondu à notre invitation la présentation est assurée par Fatih Zakari, la technique Issa Lawali. Merci et le programme continue sous le studio Kalong.